Ladies and gentlemen, welcome to the Studio Kalangu. I'm gonna introduce my man Dondi. Yeah, like Miami, like USA, you know what we do, man. You know what I'm saying, homie. Welcome to the Studio Kalangu. Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Tu es connu par ce nom, Biman Aigoka. Qu'est-ce qui se cache derrière Biman Aigoka De quoi parle Aigoka Aigoka, si tu veux, c'est une philosophie. C'est une philosophie. Ouais, et philosophie revient à ceci, se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. C'est Jean Kelevitch l'a dit. Nous t'écoutons. Voilà. Donc, Aigoka, c'est une philosophie. C'est pour dire que. Donc, Aigoka il est philosophe. Yeah, hein. he's a philosopher, you know what I'm saying? c'est pour dire que, quel que soit le hit que je sortais, parce que c'était quand j'étais artiste, mm-hmm. quel que soit le hit que je sortais, c'est qu'il y en a toujours encore. C'est que je ne m'arrête jamais il y a toujours quelque chose qui va sortir. Donc c'est ça le truc en fait. Ouais. Donc ça ne va jamais finir. Ça va jamais finir. Bah, c'est du non-stop quoi, tu vois. Tu peux me parler de Biman à l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle ou comment est-ce qu'on t'a appelé à l'école bah, Kabiru Mahamadou. Kabiru Mahamadou. Ouais. Biman. De la musique à la comédie. Explique-moi un peu comment est-ce que tu as basculé. Parce que nous sommes pratiquement à la fin du premier angle. Maintenant, Atira, Ok. qu'est-ce qui t'a amené à... Déjà, je suis quelqu'un, je mets la comédie. Mhm. J'ai toujours aimé faire rire les gens. Même à travers le rap Ouais, même à travers le rap. Je, disais des choses comiques. Le rire, le rire est thérapeutique. Ouais, ça soigne, ça guérit, mon frère. Ouais. moi, ça me fait du bien. Donc, tu vois, du coup, ouais. Euh, je dans le monde du cinéma parce que moi, un moment, j'aimais le cinéma. Mhm. Mais vraiment, quelqu'un a joué un truc vraiment majeur dans, dans ma transition. je dirais Galoud Zenou Tanguy. Euh, j'étais basketteur à l'époque, je mhm. jouais au basketball. Mais il m'a remarqué, une fois, il m'a dit Tiens, écoute, euh, je suis un réalisateur, un jeune réalisateur nigérien, mhm. et je voudrais bien tourner, commencer à faire des films et des séries avec toi. Et c'est de là que tout a commencé. Je dirais que c'est Galoud qui était le déclic. Voilà, le déclic. La personne qui m'a mis dans le cinéma. J'étais, j'étais acteur à ma façon, à moi, en fait. Bien sûr. Mais dans mon coin. Voilà, mais c'est lui qui m'a dit tiens, t'as du talent.